La levée de boucliers se poursuit après les propos de Cheikh Oumar à l'encontre des confréries. Une manifestation est prévue à Massalikoul Djinan après la prière de 14h. Ahmed Khalifania se dit euh, pas du tout surpris de cette nouvelle sortie polémique. L'ONG islamique Jamra demande au ministre conseiller de reconnaître euh, son erreur et de s'excuser. La campagne agricole menacée dans le département de Nioro, des insectes ont envahi plusieurs champs de maïs. Les agriculteurs demandent l'appui des services de l'État. La mise en place d'un parquet financier pour une reddition des comptes efficace des membres de la société civile sont pour, mais demandent toutefois que ces moyens soient renforcés, mais aussi euh, indépendance pour euh, cette institution. Nous verrons comment le régime de Macky Sall avait également euh, traqué les biens mal acquis. Nous ferons le point sur les résultats des recouvrements. À suivre également notre reportage à Kurmasar, quelques semaines après la grande opération de déguerpissement. Les trottoirs sont à nouveau envahis par les marchands ambulants et tabliers. Les riverains demandent l'intervention de l'État. Dans la seconde partie, Fama va nous rejoindre pour la page internationale. Boubacar pour la page des sports, dominé par le match Sénégal-Burkina Faso, match prévu à 19h à Dans D'un point de vue, nous euh, allons également débattre du bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Aliou Ba assure la technique de ce journal. Bonjour et, bienvenue. Les réactions d'indignation se poursuivent à l'encontre de euh, Cheikh Omar Diagne. Euh, après donc ces propos, des propos qui ont heurté des familles religieuses, une manifestation est d'ailleurs prévue à 14h à la mosquée euh, Masalikul Djinan, c'est à Koloban, où nous retrouvons Nafisatou Sila. Nafisatou, bonjour. Euh, bonjour Youssouf Alors, euh, cette manifestation en principe est interdite euh, par le, préfet de Dakar, mais est-ce que déjà il y a des, Sénégalais venus manifester alors, Youssouf, pour l'heure, tout est normal ici à la grande mosquée Massaligoul Jinan à Koloban. Il n'y a pas d'affluence, tout se passe normalement, comme tous les vendredis d'ailleurs. Il n'y a pas encore d'affluence, Youssouf, parce que c'est n'est pas encore euh, peut-être l'heure de la prière. Euh, de partout, euh, tout est normal. Hein. Même, je pense que vous entendez comme moi le récital de Coran qui émet des radios de la grande mosquée. Youssouf, hmm. aucun dispositif policier n'étant vu hein, sur toute l'avenue Cher Ahmadou Bamba, du carrefour 14 à la place de l'obélisque. Euh, du moins pour l'instant, euh, aucune affluence à signaler mm. autour de la grande mosquée Youtube, mm. et, mais aussi à l'intérieur euh, de la mosquée. on vient déjà d'ouvrir les portes de la mosquée pour la grande prière. Euh, de 14h. Nafisatou, Nafisatou en direct de la grande mosquée Massalikul Jinan à, Koloban. Euh, Ahmed Khalifanias, lui, se dit pas du tout surpris par euh, les sorties de Cher Omar Diagne. selon donc ce marabout, en politique également, le directeur général des moyens de la présidence de la République n'est que euh, donc l'exécutant du projet de passé qui, selon lui, euh, donc, euh, est contre les chefs religieux. Il annonce une riposte des confréries à la hauteur de l'affront. Écoutons Ahmed Khalifa Nias au téléphone avec El Djogoudjian. Il ne s'agit pas de la personne Cheikh Omar un illustre inconnu, mais il s'agit du président de la République parce qu'il y a un devoir de réserve pour toute personne qui collabore au sein du cabinet du président. Parce que toute euh, position publique engage la présidence elle-même. En réalité, nous pouvons considérer cela comme un coup d'essai pour voir euh, jusqu'où on peut aller à l'encontre des confréries, parce que ça c'est un euh, projet passif qui a été annoncé par Demba Touré dans, son, dans l'article 5, quand c'était le projet du projet. Voilà. Donc, euh, personne n'est dupe. Euh, au sein de la présidence, il y a des dizaines de personnes euh, qui travaillent. Il y a un dossier pacifié anti-maraboutique. Ça, nous le savons, parce que l'une des les premiers reproches faites à cours, c'était d'être un salafiste, et ce n'est toujours pas faux. Et donc, c'est ce projet-là qui, aujourd'hui, part du centre de décision de, du pays, mais cela aussi se payera cash parce que euh, il y aura des élections, le nouveau régime payera. Et qu'est-ce que le président de la République doit faire euh, par rapport à cette affaire le président de la République doit prendre ses responsabilités et on n'a pas à lui apprendre ce, qu'il doit faire. Il doit lui-même prendre ses responsabilités et les confréries riposteront, y compris par des manifestations, massives. C'est-à-dire que dans un palais, personne ne peut s'exprimer à toute personnel. Toutes les expressions sont officielles, ce sont celles du palais. Le vice-président de l'ONG islamique euh, Mam Jamra Mamakhtar demande à Cheikh Omar Diagne de reconnaître son erreur et de présenter ses excuses publiques. Il appelle aussi le directeur des moyens généraux de la présidence de la République à revoir ses positions sur les confréries. Mamaktar gay est avec la Personnellement, je n'ai jamais cessé et je le prends à témoin parce qu'il est là, il nous entend parler avec lui fraternellement pour l'amener à de meilleurs sentiments par rapport à la vision qu'il a euh, sur les tarifs Et j'ai même été jusqu'à lui dire que s'il pense qu'il doit s'arc-bouter dans ses convictions euh, euh, concernant la vision qu'il a des tariha, eh bien, je lui conseille de garder ça pour lui et d'éviter d'en faire une exposition publique, ce qui naturellement risque de heurter beaucoup de sensibilités. Et voilà le résultat. Il y a une fronde au niveau de beaucoup de confréries particulièrement Mourit, suivi hier d'une fatwa de la confrérie Tijane à travers le fils euh, de, du défunt Khalid Singh Abdel Amin, euh, ne me lassant jamais de lui prodiguer des conseils fraternels. S'il m'entend, ce que je lui demande, et ça ne lui coûte absolument rien, parce que l'erreur est humaine, c'est de reprendre la parole et d'exprimer ses excuses fraternelles à tous ceux qui se sont sentis heurtés suite aux propos qu'il a eu à tenir à l'égard des confréries. En tant que directeur général des moyens généraux, il ne peut pas tout se permettre. Sa voix a beaucoup plus de portée que lorsqu'il était un citoyen lambda comme moi. Alors maintenant, la conséquence est là. Il y a une sorte d'antagonisme entre sa posture dont on vient de parler, qui est une posture euh, qui souvent cause préjudice, comme nous l'avons vu à certaines conférences. Donc nous, le constat que nous faisons, il n'a pas le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, surtout par rapport à la haute fonction qu'il occupe actuellement. Bref, le conseil qui me tient le plus à cœur, c'est qu'il essaye de mettre rapidement un terme à cette polémique qui peut avoir des proportions insoupçonnées. Et il n'y a pas meilleure manière de le faire que de présenter ses excuses. C'est tout. Et on tourne la page. 12, 12 heures passées de 8 minutes, vous écoutez le journal sur RFM, la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans le département de Nyoro, des champs de maïs sont attaqués par des insectes. Pour les combattre, les agriculteurs utilisent des moyens euh, rudimentaires sans grande efficacité. Désemparés, il sollicite l'intervention des services compétents de l'État. Fatumbo. L'invasion des insectes dans les champs de maïs dans différentes communes du département de Nioro inquiète les agriculteurs. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme. Nos champs de maïs ont été attaqués par des insectes, une situation qui affecte vraiment nos récoltes. Des attaques sont également constatées dans d'autres localités, souligne Omar Ndiaye, agriculteur à Medina, Nous l'avons constaté à Kantora, Sanche, Mamunderi, Kantora Ndias, entre autres des localités qui se trouvent dans la commune, même à Medina Sabah et Ndramé Escal également. Face à cette situation qui pourrait engendrer des conséquences sur les récoltes, les autorités sont interpellées en urgence. Nous interpellons les autorités locales et étatiques, de même que les experts en la matière. Vraiment, c'est dur. Dans la commune de Dabali, Wakunguna, entre autres, les cultures de maïs sont gravement affectées par des attaques d'insectes. Ces derniers perturbent la quiétude des acteurs agricoles. Radio Futur D'autres agriculteurs inquiets, ce sont ceux du village de Djaminar, c'est dans la commune de kermo Ils sont très en colère contre leur maire. Ils l'accusent d'être à l'origine des altercations entre éleveurs et agriculteurs. Le deal aurait cédé les terres à des proches au détriment des agriculteurs. Ils ont fait face à la presse en présence de Nafisa Diaminar est une zone à vocation essentiellement agricole, mais la principale ressource que constitue le foncier est au centre d'un différent entre agriculteurs et éleveurs. Les altercations entre ces deux entités sont récurrentes explique Adam Soiré, habitant du dit village. On a introduit pas mal de demandes de terre à la mairie, mais sont toujours sans suite. Et le plus grave, c'est que nos minuscules portions de terre que nous ont laissées les parents sont en train d'être arrachés un à un suite aux altercations qu'on a eues avec les éleveurs. On va pointer le doigt aux autorités municipales. Les habitants du village de Yaminar s'estiment être victimes d'une injustice dans l'arbitrage du foncier, selon toujours Adam Soiré. Je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois il y a eu un problème entre paysans et éleveurs. Ces derniers favorisent les éleveurs au détriment des paysans. Et mieux encore, nous, on ne peut pas avoir de délibération pour cultiver les terres. Alors que ces éleveurs, on leur donne des délibérations. Non seulement ils n'exploitent pas les terrains, mais ils reviennent pour nous les louer. Donc aujourd'hui, nous dénonçons devant l'opinion publique cette injustice que nous subissons depuis plus de 40 ans. Les nombreuses démarches initiées pour solliciter l'intervention de l'autorité en guise de solution au problème sont restées sans suite. On compte reprendre toute la procédure nécessaire pour avoir gain de cause. Parce que nous sommes des paysans. On ne compte gagner notre vie que dans le secteur agricole. Pas d'autre. Il y a beaucoup de jeunes. On ne pense qu'à l'agriculture. On n'a pas pris la voie clandestine pour aller émigrer. On a fait d'excellents travail pour conscientiser les jeunes à rester ici. Maintenant, les jeunes sont restés ici et on empêche de, travailler les terres. Les problèmes liés aux fonciers deviennent de plus en plus récurrents. Toutefois, les habitants de Diaminar dans la commune de Kermomarsar, invitent les nouvelles autorités à réagir le plus rapidement possible pour trouver une solution. À ce problème, qui date de plus de 40 ans, Nafisa Ndiaye, Jamina, Radio Futur Média. Nous restons à l'intérieur du pays pour parler de notre problème avec le maire de Tiwawan qui réagit au lendemain de la violente manifestation des conducteurs de mototaxi Jakarta. Ils sont contre l'instauration d'une taxe gamou de 26 000 francs CFA des Modiopsi, euh, donc, qui annonce que la justice va faire son travail sur cette affaire. Je vous propose de suivre avec la Nous, depuis presque at ñu ngi wax ak ñoom parce que daaw bi mu amee coow dañ leen woo ne leen coow waratu fi am Depuis plus d'un an, nous sommes en concertation avec les conducteurs de taxi moto Jakarta de J'ai même dit aux Jakartaman de ne plus attendre la veille du Gamou pour faire des réclamations. La mairie avait même imposé aux conducteurs de taxi moto Jakarta des plaques et gilets pour un coût global de 6 000 francs. C'est ce qui a été retenu. Tout conducteur qui n'est pas à jour euh, doit payer une amende de 20 000 francs, plus les 6 000 francs on a tout fait pour apaiser la tension. Malheureusement, les gosses, nous avons constaté qu'il y a des gens derrière eux. Ils ont été manipulés. Mais nous laissons la justice faire son travail. on laisse les textes avec la justice. Diopsi, le maire de Tiawan, au micro de euh, Cher Ant Job. À Dakar, à Kurmassar, les marchands ambulants et tabliers occupent à nouveau les trottoirs d'où ils ont été euh, récemment dégapis par la mairie. La circulation redevient difficile pour les piétons qui déplorent l'anarchie causée par le manque de suivi de la mairie de Kurmassar Sud. Pour d'autres riverains, c'est l'État qui doit apporter une solution durable à ce problème. Le reportage d'Aminataba. Toutes les voies publiques qui mènent au rond-point de Kermessar sont encore occupées d'une façon anarchique et c'est l'œuvre des marchands ambulants qui ne sont plus contrôlés ni par les agents de la municipalité de Kermessar Sud, encore moins par les forces de l'ordre. Mohamed Keita, piéton s'en désole. n'est pas normal. C'est une voie piéton, n'est pas pour les marchands. Des cartes qui t'amènent là, ils sont obligés de rester jusqu'à la station pour te faire descendre là, tour de marché, presque 600 700 mètres par jour. C'est là le bas blesse des Sénégalais. Il n'y a jamais de suivi. Commence quelque chose, et un mois après, ils arrêtent tout ça. Pape Diop, un autre révérend, sac à la main et sur le chemin du travail, il estime que l'État doit mettre en place un dispositif efficace pour lutter contre ce fléau qui perdure. Des fois, je suis là, je suis énervé complètement. J'ai l'énervement à cause de cela. Dans la majeure partie des campagnards, ils ont laissé le terroir. C'est pour gagner leur pain, non S'ils veulent exactement les interdire de ne plus s'installer sur la voie publique, il faudrait tout faire pour le fixer dans leur territoire. Autrement, à beau vouloir les déguerpir, qui reviendront. Ibrahim Ndiouk conseiller municipal à la mairie de Kermassar Sud, est également d'avis que c'est l'État qui a les moyens de déguerpir les marchands ambulants de ces lieux. Nous voulons tous que l'État central puisse au moins apporter une contribution par rapport à cette difficulté. Le maire n'a ni les prérogatives, ni la capacité financière de les recaser. Les autorités compétentes doivent vraiment Malgré les initiatives entamées par la municipalité de Kermessar Sud, l'occupation anarchique des trottoirs et autres lieux publics persiste toujours dans la commune. Radio Un parquet financier pour une reddition des comptes efficace, l'ex-Africa estime qu'il faut le renforcer avec plus de moyens. L'ONG 3D, quant à elle, pense que euh, le seul problème est que le dit paquet risque encore d'être euh, sous le contrôle du garde des Sceaux. C'est un dossier ficelé par Sidou Depuis plusieurs années, l'ex-Africa avait demandé plus de moyens pour un parquet financier beaucoup plus efficace. Et puisqu'on y est, il faut presser le pas. Eliman Khan, président de l'ex-Africa. Euh, nous avons salué cette initiative. Et maintenant, il il s'agit de donner plus de ressources à, ces instruments juridiques dont nous disposons. nous savons que le procureur financier a été récemment mis en place euh, il doit prendre euh, service et puis euh, mettre en place aussi une équipe, une équipe qu'il faudra nécessairement former sur beaucoup de, techniques de suivi des, des, malversations financières qui sont de différents types, mais également surtout de se mettre à jour par rapport à tous ces rapports des cours de contrôle. Mounia Sissé, président de l'ONG 3D, s'en félicite, mais attention au seul bémol. C'est une avancée significative qui peut garantir garantir eh bien, plus d'efficacité, mais aussi garantir et eh bien, les, les droits de la défense, n'est-ce pas Mais le seul bémol, c'est que le parquet financier reste sous le contrôle du garde des Sceaux. Il y a toujours ce cordon ombilical parce que le ministre de la Justice garde des Sceaux reste toujours le patron des procureurs. Et donc, euh, il a la possibilité de donner instruction de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Et cela constitue, à mon avis, le bémol. Alors, donc, c'est une avancée, certes, mais on peut encore améliorer en essayant de couper ce cordon ombilical entre le parc financier et le garde des Sceaux. Le nouveau régime ne cesse de manifester son souhait de travailler à une reddition des comptes. L'ex-Africa et l'ONG 3D espèrent un dénouement efficace et sans aucune stigmatisation c'est euh, le Nouroba, la traque des biens mal acquis. Vous le savez donc, sous l'ère euh, Macky il y avait la CRI qui avait engagé des poursuites contre des dignitaires euh, du régime de Maître Abdoulaye Wade. Nous en reparlons donc dans ce midi avec Mohamed Ali Mouba pour voir exactement ce qui a été recouvré. Difficile de savoir exactement combien l'État du Sénégal a recouvré dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Pourquoi Eh bien parce que tout d'abord, la traque n'est pas allée à son terme. Sur la liste des 25 individus qui devaient répondre devant la CREI, deux seulement ont été inquiétés. Hormis Karim Wad, condamné à payer 138 milliards, l'ancien directeur du cadastre sous Abdoulaye Wad, Taïbouya, et 2,6 milliards, eh bien le feuilleton s'est refermé sans qu'il y ait grand-chose. La confiscation de leurs biens a été prononcée aussi, mais personne ne sait exactement dans quelle mesure la décision de justice a été appliquée. On sait tout au plus que Karim Wade est sorti du territoire national sans avoir payé la main d'une épée de Damoclès pendait au-dessus de sa tête depuis lors. On parle de gens aussi qui ont tranché dans une déclaration publique. Mimi Touré a laissé entendre que 200 milliards de francs CFA ont été effectivement recouvrés. Mais problème, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Moustapha Nias, avait soutenu publiquement n'avoir pas vu la couleur de cet argent. L'Assemblée n'a pas voté une loi de finances rectificative allant dans ce sens. À l'époque, le débat avait fait rage. Mimi, seul contre tous, a eu du mal à se défendre, oui, face aux sorties musclées de l'opposition et de la société civile qui parlaient de traque maigre, de procès politique, de procès pour rien. RFM. L'actualité internationale. Midi passé de 20 minutes, nous accueillons Fama John. Bonjour. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. Direction le Kenya, où 17 morts euh, ont été donc euh, comptabilisés dans l'incendie d'un dortoir. Une enquête a ouverte pour euh, donc déterminer les causes du feu qui s'est déclaré la nuit dernière dans une école du centre du pays, c'est de Nourouba. La police a annoncé qu'une école primaire a été prise par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi. Le porte-parole de la police nationale, Résila Onyango, a annoncé que le feu a démarré vers minuit et s'est rapidement propagé au dortoir se trouver des enfants. Beaucoup d'éléments restent encore inconnus à cette heure, notamment la cause de l'incendie ainsi que l'âge et l'identité des victimes. Sans la police, l'identification des corps est rendue très difficile car ils sont absolument calcinés. Le bilan de cette tragédie risque encore de s'alourdir puisque la police n'a pas fini d'explorer les décombres de l'incendie. Une douzaine d'élèves gravement blessés ont été aussi transportés à l'hôpital ce vendredi. Le président kenyan William Ruto s'est exprimé sur son compte. Il demande que les autorités compétentes mènent une enquête et promet que les responsables devront répondre de leurs actes. De son côté, la Croix-Rouge kenyan a annoncé avoir déployé des équipes sur le terrain pour fournir des services de soutien psychosocial aux élèves, aux enseignants et aux familles touchées. Nourouba. Nous allons au Cameroun pour euh, faire le point après donc les inondations. Des pluies diluviennes arrosent le Cameroun en cette veille de rentrée scolaire. Les conséquences sont lourdes pour les populations de la région de l'extrême nord, limitrophe avec le Tchad, le Nigeria et le Niger. là. 160 000 personnes sont affectées par ces pluies. Les maisons sont submergées par les eaux et les familles ont perdu tous leurs biens. Ces inondations ont été causées par de fortes précipitations enregistrées au cours des mois de juillet et août dans la région de l'extrême nord. Selon le système des Nations Unies, elles ont détruit 8600 maisons, inondé des milliers d'hectares de culture et causé la perte de milliers d'animaux. Parmi ces 160 000 personnes, on compte des enfants aussi affectés, selon un bilan dressé fin août par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Cameroun. Sept personnes ont été tuées. Selon le dernier rapport des experts climat de l'ONU, les villes côtières telles que Douala sont en première ligne dans la crise crise climatique et risque d'être éliminé par les inondations à long terme et par la hausse du niveau des océans. En cette veille de rentrée scolaire, avec la montée des cours d'eau, plusieurs enfants sinistrés ne reprendront pas le chemin de l'école. Les humanitaires, qui ont des difficultés d'accès à ces zones souvent reculées, redoutent un risque croissant d'épidémie. Nafisato Silla, les inondations, on en parle toujours, cette fois-ci au Mali. les autorités de la transition sollicitent l'aide des partenaires internationaux. Le montant des besoins exprimés par le ministère malien de la Santé devant les partenaires pour faire face aux dégâts matériels et aux risques sanitaires s'élève à 3 milliards de francs CFA. Il y a deux semaines, le 23 août dernier, donc, les autorités de transition avaient déclaré l'état de catastrophe nationale, adopté un plan d'organisation de secours et annoncé vouloir mobiliser 4 milliards de francs CFA. Nous quittons euh, l'Afrique pour l'Europe. En Allemagne, Zelensky réclame plus d'armes. Le président ukrainien participe ce 6 septembre à une réunion avec les alliés de l'Ukraine en Allemagne. Ce vendredi donc, Vladimir Zelensky rencontre aussi le chancelier Olaf Scholz pour lui demander des comptes sur son soutien. Washington a de son côté annoncé une nouvelle aide militaire de 250 millions de dollars à l'Ukraine. Merci beaucoup, Fama John.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 Comment sortir de l'impasse Pour en parler donc, nous aurons comme invité Pape euh, Mamour Si, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Dakar. On aura également Alim Soirée, euh, ancien député expert en droit parlementaire. Nous accueillons Boubacar Dian. Bonjour Boubacar. Euh, bonjour Youssouf, bonjour à tous. L'actualité des sports dominée par la première journée des qualifications à la Cannes 2025. Coup d'envoi à 19h au stade Maître Abdoulaye Ouad de Djemniadjo. Les deux premières sorties des Lions de la Teranga euh, n'ont pas rassuré les supporters sénégalais. Le système de jeu du coach à l'UCC pose toujours problème aux yeux de certains sportifs. Le Burkina Faso reste une équipe difficile à manœuvrer. C'est en tout cas l'analyse de Souleymane Barafomba, ancien sélectionneur de l'équipe des sourds-muets. Nous l'écoutons. Nous avons un adversaire de taille, un adversaire qui n'est pas facile à manœuvrer. Et si vous voyez que nous avons un système qu'on a mis en place, le système 3-5-2, qui est actuellement un problème majeur dans l'équipe. Euh, si vous voyez ce système-là, euh, si nous jouons dans ce système, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de problèmes d'automatisme, complicité. Donc c'est un peu difficile euh, pour beaucoup de choses sur ce système. Pour moi, le système, c'est un facteur bloquant pour, euh, pour les joueurs. Euh, si vous voyez les deux sorties qu'on a fait euh, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, le match qu'on a livré contre Congo ici à Dakar, c'était un match très très difficile pour le Sénégal. Le Sénégal pouvait, même perdre ce match-là avec ce système-là. Le match qu'on a joué contre la Mauritanie à Norshot, on a gagné, mais pas avec la manière. Donc euh, pour moi, ce système-là, c'est un facteur bloquant pour les joueurs parce que nous avons des joueurs qui sont capables de s'épanouir, mais avec ce système-là, ça bloque beaucoup de choses. Et comme à son habitude, la section Mauritanie du 12e Gaïndé a fait le déplacement sur Dakar pour soutenir les Lions de la Teranga qui affrontent cet après-midi donc le Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine. Euh, Leur porte-parole Omar Randao s'est exprimé au micro de Mohamed Diop. C'est vrai qu'on avait l'habitude de venir euh, accompagner, d'aller accompagner nos, lions vers euh, une qualification, soit la, qualification de la Coupe d'Afrique des Nations, ou bien la qualification vers l'éliminatoire de, la Coupe du Monde. mais cette année-ci, c'est un peu particulier parce que tout le monde sait que entre le Sénégal, entre le Maroc et la Mauritanie, c'est pratiquement c'est deux pays frontaliers. Donc aussi, euh, toutefois que le Sénégal qualifie dans cette Coupe du Monde, quand dans cette Coupe d'Afrique, vraiment ça fera l'occasion pour les Sénégalais de Mauritanie, les Sénégalais qui sont ici en Mauritanie, d'aller assister à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est pour cela que nous avons quitté la Mauritanie pour venir pousser nos lions vers la qualification, à la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et d'autres rencontres sont prévues cet après-midi également à 16h, République démocratique du Congo, Guinée, Maroc, Gabon à 18h. À 19h, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, reçoit la Zambie. Euh, Mali, Mozambique, Égypte, Cap-Vert, tous ces matchs sont prévus à 19h et en Europe pour parler de la Ligue des Nations. Ces grosses affiches pour ce soir. Euh, France, Italie, Pays de Turquie, Belgique, Israël. Toutes ces rencontres sont prévues à 18h passées de 45 minutes et hier il faut retenir que l'Espagne a fait match nul et vierge euh, avec la Serbie. Le Portugal a battu la Croatie sur le score de 2 buts à 1 Cristiano Ronaldo a même inscrit durant ce match le 900e but de sa carrière de footballeur. Et pour en Europe, nous y restons pour parler des Jeux paralympiques de Paris avec le Sénégalais Edmond Sanka qui est rentré dans ses jeux troisième de sa série en 42-77. Il se qualifie pour la demi-finale euh, de demain matin prévue à 10h42 minutes Youssouf. Nous parlons du championnat d'Afrique de karaté cadet et junior, le Sénégal qui entre en lice ce vendredi. Et c'est avec euh, les cadets en comité et kata. Le Sénégal aura donc quatre représentants aujourd'hui, un en kata féminin et trois en comité. Euh, CNC Yatmanlo analyse pour nous les chances de médaille de l'équipe ou bien plutôt de la délégation sénégalaise. Le voici. Les chances que nous avons, c'est au niveau de euh, Bakesset, qui a remporté la médaille d'or au niveau du, de l'Open Youth League qui s'est déroulé euh, au Maroc. Et je pense que c'est une chance réelle. Nous avons d'autres combattants. D'ailleurs, le Sénégal ne pourra jamais rentrer au Berkay sans médaille. D'ailleurs, pour la première journée, nous avons Aïssatou Dien, qui est cadet, euh, qui a eu une médaille de bronze, euh, qui a remporté la médaille de bronze devant une Mauricienne. Et je crois que ça, c'est important en tant que cadet. Maintenant, on attend la suite. L'équipe euh, Qatar, euh, composée de Doudou de Ismaël Barry et de Ismaël Barry, bon, en tout cas, euh, avec trois combattants, le Sénégal a, fait un tour et puis a perdu en demi-finale devant euh, l'Égypte euh, et il fallait euh, aller en finale de bronze, mais malheureusement, l'équipe Qatar a perdu devant la Libye. Voilà les premiers résultats qui sont tombés. Une seule médaille de bronze par le fait d'Aïssatou Djen, qui est dans la catégorie Qatar. Et on ose espérer que dans l'après-midi, avec les combats, les comités, le Sénégal fera véritablement de bons résultats retenir que ces championnats d'Afrique de karaté cadet et junior se tiennent du 4 au 8 septembre 2024 à Tunis. Youssouf Bodjan, c'en est tout pour cette page des sports. C'était Boubacar Dian. Merci Boubacar. La presse de ce vendredi 6 septembre, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Majorité opposition controverse autour de la date de la DPJ. Walfatri résume sans attendre de la sorte la polémique. À chacun sa date, la conférence des présidents retient le 11 septembre, tandis que PASTEF annonce le 13 septembre. Législatif exécutif, c'est le imbroglio signal du coup enquête, lequel confrère relève que ça risque d'aller plus loin. Avec une dissolution de l'Assemblée nationale, on va vers une crise politico-juridique, des conséquences certaines sur le processus législatif, le vote de la loi des finances et la DPG. Le budget de Macky Sall pourrait être reconduit en cas de blocage. Comme a expliqué cette bataille autour des dates de la DPG Las pointe ce qu'il appelle en jeu et des ruses. Ruses pour dissoudre l'Assemblée le 12 et soustraire ainsi Ousmane Sonko de la DPG. Le journal Les Échos soutient sans attendre que c'est la revanche des députés de Ben Bokakar. Ainsi donc, la patrouille de la majorité a réussi à rattraper Ousmane Sonko dans les bois qui cherchait à sur les combats. Tribune relève qu'à Malin, Malin et demi, le piège se referme sur le Premier ministre qui manœuvre pour ne pas présenter sa DPG. On a été invité à prendre une date c'est fait. lâche Moussa Yahati de Bokkiskis. Si on refuse que la DPG se tienne le 11 septembre, eh bien, on devrait refuser que le trois textes soit examiné avant le 15 septembre prochain. Amadouba, de passer plus frein des quatre fers, le Premier ministre ne déférera à aucune convocation illégale. Selon Vox Populi, l'attention est à son paroxysme entre majorité et opposition, c'est le barreau d'honneur des députés de Benobokiakar. L'Obs qui examine les relations entre Maki, Yoma et Sonko nous dit que ce sont là les signes de la rupture. On est passé de la complicité à la guerre totale, un passif trop lourd. Ils ont fait semblant de s'entendre à un moment et désormais c'est la guerre. Cher Omar et les confréries soufis sénégalaises, la guerre est totale après ses propos jugés outrageants euh, sur euh, Charmadou Bamba et la Malik la mosquée de Touba, la grande mosquée de Dakar et le roi du Maroc. Les confréries le menacent de leur foudre. De Touba à la colère est montée d'un cran. Selon le journal Le Quotidien, c'est une nouvelle affaire qui va davantage perturber son quotidien rythmé ces dernières heures par le bras de fer avec l'Assemblée nationale et le dossier des chers, cher Chertiyan, Yei à Un dossier dont le journal nous dit qu'il est radioactif. Marche de protestation aujourd'hui donc à Massalikul Dinan après la prière. Massalikul Dinan, rond-point Koloban. L'Obs relève que il y a eu des plaintes, des pétitions, des menaces contre le directeur des moyens généraux de la présidence. Le journal est revenu par ailleurs sur la vie de Cher Omar Diagne, l'homme au cœur du tourbillon. Tiwawan plaque taxes tax où les conducteurs de Jakarta à couteau tiré avec la mairie, ils ont fini par saccager euh, donc cette mairie de Tiwawan. C'était une journée chaude et non sexuellement le confrère à quelques jours du Maulid. Les Jakartamens qui ne supportent pas les taxes ont envahi et saccagé la mairie. Le journal parle de malentendu sur les 20 000 francs de taxes de Gamou accusés par les Yakatemen. Gopsi, le maire, botte en touche et précise. Et puis sport pour boucler à la une Cannes 2025 Sénégal Burkina Faso tout à l'heure le grand galop d'essai des Lions du Sénégal pointe le journal Enquête les Lions pour démarrer du pompier Bichon le soleil le confrère écrit que le Sénégal démarre la campagne qualificative à la prochaine Cannes par un duel épique avec le Burkina son succès permettrait au Lion du Sénégal de rejoindre le Burundi qu'il rencontre le 9 septembre prochain. Le Burundi occupe actuellement, vous le savez, la tête du groupe L, champion d'Afrique 2021. L'équipe nationale du Sénégal a perdu son titre lors de la dernière canne qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. La clé du match est la fraîcheur physique, énonce l'âge à l'UCC sur le match donc Sénégal-Burkina Faso a retrouvé donc ses propos dans le journal L'Info. Réponse de l'entraîneur du Burkina, Brahma Traoré il faudra être concentré sur le sujet et tout donner pour ne rien regretter. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous nous arrivons à point de vue, débat sur le bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Comment sortir de l'impasse Nos intervenants, le professeur euh, Papma Mamoursi, professeur de droit constitutionnel à l'université Cher, Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Professeur Si, on a également en ligne euh, euh, M. Alioune Soiré, ancien député, expert en droit parlementaire. M. Soiré, bonjour. Bonjour. Alors, on va donc démarrer euh, par vous, mais avant d'entrer dans le débat, on va revenir sur le contexte. L'Assemblée nationale qui a ouvert sa session extraordinaire hier sur demande du président de la République. Les députés, au nom de l'article 84 de la Constitution, qui vont donc prioritairement examiner les propositions de loi plutôt que la motion de censure introduite par la majorité parlementaire. Et puis l'opposition qui tient toujours à ce que le Premier ministre fasse sa euh, déclaration de politique générale avant la fin euh, de, avant le 12 septembre en tout cas. Voilà donc le, contexte. Quelle appréciation faites-vous euh, de cette situation aujourd'hui qui prévaut, situation politique et qui découle de ce bras de fer entre l'exécutif et le législatif Oui, peut-être on ne peut pas dire globalement l'exécutif, hmm. parce que l'exécutif, il y a deux institutions. Il y a le président de la République, euh, il y a le gouvernement. Euh, l'article 6 de la Constitution évoque effectivement, énumère euh, les différentes institutions, le, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, HCTT, euh, Conseil économique et social et le pouvoir judiciaire dans son ensemble. Mhm. Donc aujourd'hui, euh, peut-être euh, on ressent beaucoup plus entre le gouvernement et l'Assemblée nationale mhm. euh, cette dualité, bon, ces échanges avec des propos des fois un peu démesurés. Bon, maintenant, ce qui s'est passé avec la section extraordinaire, je crois que ça entre dans l'ordre normal des choses. Mhm l'article 63 de la Constitution et l'article 5 du règlement intérieur prévoient la tenue de la session extraordinaire sous la, euh, donc, la proposition du président de la République. Et souvent même moi je dis que mhm. euh, euh, si on se réfère aux dispositions de l'article 63 à son alinéa 1, le président de la République fixe la date de l'ouverture de la section pour la première section de l'Assemblée nationale nouvellement élue. Mhm. Donc ça a un caractère euh, très, très temporaire. Mais même si aujourd'hui, peut-être dans la pratique, on voit que effectivement, au-delà de fixer l'ordre du jour d'une section extraordinaire, le président même choisit une date. Mhm. Bon, maintenant, euh, sur l'ordre du jour qui a été proposé figure en bonne partie la DPG. Oui, mhm. euh, c'est tout à fait normal. Après, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est euh, une loi organique, que la conférence de présidents, dans le cadre de ses prérogatives, fixe effectivement euh, un calendrier, un agenda. Mhm. Et sur l'agenda, il a été indiqué effectivement pour euh, la tenue de, la DPG le 11. Mhm. De mon point de vue, cette délai s'impose au, Premier ministre. Mhm. Comme également les autres dates qui ont été retenues pour les travaux de commission. Mhm. Parce que c'est ça, en fait, euh, c'est ça que l'article 19 prévoit. Mm. Donc, c'est les, travaux de commission et c'est la plénière. Donc, mm. la, plénière, donc la, date des commissions a été fixée pour les autres textes qui vont être examinés. Également, la plénière est fixée pour, pratiquement pour, le 11 euh, avec, avec la DPG. Mm-hmm. Donc, moi, je crois que ça entre dans l'ordre normal des choses. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une interprétation euh, de l'article 97 euh, du, règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui, à son dernier alinéa, dit euh, la déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois hmm. après l'entrée en fonction du gouvernement. Point. Et l'Assemblée nationale est informée de la date, euh, au moins huit jours de la date retenue. Je hmm. pense qu'en en fait, si on, regarde bien cet article et si on lit très bien cet article, la compréhension qu'on devrait avoir, il y a un ordre chronologique des faits, c'est-à-dire donc il faut effectivement que les trois mois de cette déclaration politique générale soient retenus et que l'Assemblée nationale soit informée. Bon, maintenant, nous sommes à cinq mois. Le gouvernement n'a pas pu tenir cette euh, déclaration de politique générale. Est-ce que les huit jours vont toujours être de rigueur. Mhm. Bon, moi je pense que le les huit jours ne peut pas être, euh, euh, ne peut pas être euh, un délai isolé. Voilà. Monsieur on va, on il y a le professeur Si qui nous a rejoint. professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre regard Vous, vous êtes constitutionnaliste de cet imbroglio qu'il y a aujourd'hui entre l'exécutif et euh, le législatif. Euh, tout à l'heure, M. Soane a parlé de la date de la DPG, il a parlé du, 11. Il y en a de l'autre côté qui pensent que euh, cette DPG ne pourrait se faire au-delà, avant le 12 en tout cas, la date limite pour le président de la République afin qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Quel est votre regard, vous, par rapport à ce débat oui, en la matière, il me semble peut-être opportun de rappeler un certain nombre de principes qui caractérisent le fonctionnement des démocraties euh, contemporaines. Mm. De ce point de vue, un premier constat que l'on peut relever, est relatif à la prééminence, à la domination dans presque toutes les démocraties aujourd'hui contemporaines mm. de l'exécutif par rapport donc au, législatif. Mm-hmm. Et cette euh, prééminence, disons, se manifeste euh, dans les rapports entre l'exécutif et le législatif par, disons, la possibilité donnée au président de la République de convoquer euh, l'Assemblée nationale, comme il a eu à le faire, surtout hmm. en session extraordinaire. Mais également, on nous dit de façon générale que c'est l'exécutif qui maîtrise l'ordre du jour, hmm. donc des assemblées euh, de façon générale. Ceci étant dit, hmm. si on en revient donc à notre charte euh, fondamentale, donc la Constitution sénégalaise à son article 55 dit que le premier ministre en la matière fait sa euh, déclaration de politique générale. Et donc la façon dont ce verbe-là a été posé mhm. pose quelque part une obligation qui est entre les euh, euh, qui repose donc sur le premier ministre de devoir se présenter devant l'hémicycle pour tenir sa déclaration de politique générale. Mhm. Mais ceci étant dit, ceci étant dit, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas de date. Mhm précise fixée à l'avance pour dire que le Premier ministre doit euh, tenir sa déclaration de euh, politique générale à tel ou tel autre. Donc la, date, du 11 euh, qui est évoquée ne s'impose pas, c'est ça ne s'impose pas de façon donc, juridiquement euh, parlant. Hmm. Maintenant, au-delà des textes, il y a ce qu'on peut appeler euh, l'élégance donc euh, républicaine hmm. ou bien donc les, pratiques donc dans ce pays parce que quand même de façon générale ici à chaque fois donc qu'un nouveau gouvernement disons est nommé on, voit que les premiers ministres hmm. tiennent leur déclaration de politique générale dans les trois premiers mois. Donc, on peut dire qu'en réalité, le fonctionnement d'un pays ne dépend pas exclusivement, disons, des textes, mais parfois, on a besoin de s'en référer à ce que l'on appelle les pratiques. Et parmi ces pratiques-là, il y en a celles relève effectivement de l'élégance républicaine. Ah. Monsieur Aliou Soare, vous êtes ancien député, expert en droit parlementaire. Il y a également la question, cette motion de censure euh, qui a été introduite par euh, l'opposition euh, parlementaire qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à votre avis, techniquement, c'est une question qui pourra être inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale vu les délais Oui, mais vous me permettrez un peu de revenir sur ce que le président. a dit. Mhm. Moi, je pense que euh, c'est vrai que si on se limite à la, Constitution et à une lecture stricte de l'article 55, il n'y a pas une date effectivement qui est indiquée. Mais il faut reconnaître, professeur, euh, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une loi organique. Mm. Et dans donc, la hiérarchie des normes, il y a la loi constitutionnelle et la loi organique. Mm. les, les, dispositions de l'article 97 complètent l'article 55 parce que c'est la mise en œuvre est défini par l'article 87 de la mm. Constitution, qui dit, à son dernier alinéa, la déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du gouvernement. Point. Mm-hmm. L'Assemblée nationale est informée au moins huit jours de la date retenue. C'est donc, ce n'est pas un problème d'élégance, mais ce n'est pas un problème de pratique, mais c'est un, un, problème de texte, c'est une mm-hmm. loi qui le dit. Donc ça, vraiment, je tenais effectivement à, euh, relever. Est-ce que là, la, prééminence de la Constitution sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale... Non, c'est, parle... il y a une mm. complémentarité. Mm-hmm. La Constitution est au-dessus de tout. Mais la Constitution évoque les principes. Mm. Généralement, c'est une loi qui complète, qui dit maintenant, qui indique la mise en œuvre, comment effectivement exécuter ces principes-là. Mm-hmm. Donc la deuxième chose, euh, euh, l'article 19 de la, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mm. Ça relève d'une loi, d'une loi organique qui donne cette prérogative à la conférence des présidents. Un, d'établir à l'interne s'il s'agit d'une note du jour à, fixer. Deux, d'établir le calendrier de travail des commissions et de la plénière. Et trois, pour un débat organisé de fixer la règle de conduite. Moi, je mhm. pense que mhm. c'est cette conférence des présidents qui s'est réunie à la suite d'une de, la saisine par le, par, le bureau. Mhm. Parce qu'en fait, il faut voir que nous sommes dans une section extraordinaire et la section extraordinaire, euh, l'article 63 l'a dit, et l'article 5 du règlement intérieur a complété l'article 63. Okay. L'article, que dit l'article 63 Il dit l'Assemblée nationale et en outre réunis en section extraordinaire mm. sur un ordre du jour déterminé soit par le président, par <laughs> décision du président seul ou sur proposition de son ministre, mhm. à la moitié des députés, euh, à la, moitié des députés et par le bureau de l'Assemblée nationale. Mhm. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, si on regarde cette disposition, le président ne peut pas fixer une date pour, la convocation de la section électorale. Mais mhm. quand même, ce que la loi lui donne, euh, euh, ce qu'il a, comme, ce qu'il a comme droit effectivement à exercer, c'est l'ordre du jour relève exclusivement, effectivement, à la section ordinaire du président de la République. Ça, vraiment, je crois que les textes sont là, clairs. Bon, maintenant, oui, professeur, vous voulez, euh, voulez allez-y, professeur. Vous voulez, voulez répondre à, la, sortie de... Vous m'entendez, professeur, si Oui, oui, je vous Oui, allez-y, allez-y. Il m'a semblé que vous avez, euh, voulu dire quelque chose. Oui, oui. Relativement, donc, à la motion de censure, il faut, donc, euh, rappeler que cette question donc a été, disons, agitée, comme on peut le dire quelque part, euh, pour euh, peut-être anticiper un mhm. peu sur ce que l'on appelle euh, la prochaine dissolution, disons, de l'Assemblée, mhm. de l'Assemblée nationale, mhm. et que, disons, d'un point de vue pratiquant, il me semble quand même la marge de manœuvre de l'Assemblée nationale est très très Ok. Très Et, donc, euh, de ce, et, à votre avis, professeur, professeur, à votre avis, aujourd'hui, le temps nous rattrape. Comment sortir de cette impasse et puis éviter ce type de problème euh, dans le futur, par exemple Comment résoudre ce problème définitivement Bon, voyez-vous, véritablement, véritablement euh, la situation que nous vivons actuellement mm. ne grandit pas notre démocratie. Mm-hmm. Parce que donc, ce sont de petits calculs, disons, politiciens entre des formations politiques qui veulent effectivement quelque hmm. part se parer donc des textes de, loi, des textes de la Constitution hmm. pour faire euh, passer donc disons des ambitions plus ou moins donc euh, hmm. inavouées. Et véritablement, à y regarder de près, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter au chat en la matière. Il n'y a pas de crise institutionnelle ce qu'on peut euh, dire de ce point de vue-là, c'est simplement ici euh, une sorte de, j'allais dire, de, euh, récréation mhm. Ah, euh, donc euh, instauré donc par des partis politiques mhm. donc pour euh, quelque part euh, camoufler mm, merci. merci merci merci professeur Merci, professeur on revient à Léo soirée. une minute par rapport à la motion de censure est-ce que techniquement vous pensez que c'est elle pourrait être inscrite à l'ordre du jour vu le, le, non, plus possible mhm. fait que la motion de censure est consacrée par l'article 86 de la Constitution. Et l'article 99 complète la disposition de l'article 86 euh, de, la Constitution. L'article 99 du règlement intérêt, je veux dire. Donc voilà, moi je pense que euh, cette motion de censure, et l'article 86 est clair. Si vous, le, vous déposez cette motion, il y a, après le dépôt, deux jours après, il doit y avoir effectivement un débat. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, ça a été déposé. On a vu effectivement que le président de la République a demandé par décret la convocation, en tout en faisant usage à l'article 84, mhm. qui lui permet d'avoir une, priorité sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, cette motion de censure ne peut plus tenir de rigueur. Ah, merci. Merci beaucoup, M. Aliou euh, Soare, ancien député expert en droit parlementaire. Il y avait également Pape Mamoursi, professeur de droit constitutionnel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Aliouba qui était à la mise en ordre de ce journal, à la production à Cham et Fodé euh, Keta, à la réalisation et la qui vous donne rendez-vous à 13h pour le grand journal en Wolof. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé donc à, vous préparer, à présenter ce journal. Bonne suite de programme sur la Radio Future Média. C'était Youssouf Bojan.